Je vais d'abord commencer à parler un peu en français. Oui. Comme euh, vous l'avez si bien dit, mm. euh, depuis euh, donc, 48 heures, je suis en mission politique dans le département de Matam pour le compte du secrétariat national chargé des élections. Et en réalité, je devais même être ici aujourd'hui avec le secrétaire national de direction, en l'occurrence Asbab Gueye. Mais comme vous le savez, à l'heure où je vous parle, il est sur un autre registre qui n'est pas non moins important, et c'est le registre du sauvetage du processus électoral et justement de la consolidation des acquis démocratiques avec les autres partis politiques et c'est suffisamment important pour qu'il reste à Dakar. Effectivement, donc, euh, je suis venu à Matam. En venant, j'avais des appréhensions, mais je suis rassuré. Rassuré d'abord par la présence de tous les responsables politiques de Matam. Hier, j'étais avec le superviseur régional à Sansi. Hier, depuis hier donc, je travaille avec euh, Amidou euh, camarade, qui est le secrétaire départemental, avec Madame euh, Aminata Kissé, avec euh, Dembadem, avec tous les autres responsables qui sont là derrière moi et avec qui nous avons fait un travail énorme, un travail extrêmement important. D'abord de percer au niveau de la région de Matam dans, dans le cadre de la massification parce que nous sommes allés dans plusieurs quartiers de Matam et même au niveau de la périphérie, notamment à Dantiari hier. Et partout où nous sommes passés, nous avons vu de l'enthousiasme et de l'engagement euh, pour la cause de l'Église Et euh, ça, c'est normal, c'est compréhensible. Parce que, contrairement à ce qui s'est dit, parce que nous avons entendu le président de la République euh, dire que pour les prochaines élections, et il n'espérait pas moins de 100% dans la région de Matam. Mais je pense que celui-là ne sait pas ce qui se passe au niveau euh, national. Tant les frustrations que nous avons enregistrées ici sont énormes. Parce que toutes les promesses qu'il avait tenues, notamment au niveau euh, du conseil euh, présidentiel ou bien du conseil des ministres décentralisés, n'ont pas été respectées, n'ont pas été tenues. La seule chose qui existe aujourd'hui dans, dans cette région de Matam, ce sont les trois ponts, et ça, ça relève, euh, disons, de, la, de, magistrature de Donc, madame, si vous l'avez connu il y a 10, 15 ans, si vous revenez ici, vous verrez que rien n'a été fait. Encore une fois, des, chantiers importants comme l'aéroport, n'est-ce pas, de Wurosouli, est toujours là, rien n'a été fait. Sur le plan des infrastructures routières, c'est le désert. Il n'y a absolument rien. Euh, sur le plan de la santé, l'hôpital de Bruxelles qui souffre, n'est-ce pas, de manque de tout, n'est-ce pas Sur le plan de l'éducation, au niveau des écoles, il n'y a pas une bonne prise en charge. Le peu qui est fait, c'est fait par la diaspora, c'est eux qui aident Matam, c'est eux qui financent Matam sa région. Donc, celui-là, s'il revient, dit que, après sept ans d'inertie, ou rien n'a été fait, réclamer euh, des voix, je pense qu'il a tout faux. Et ça, tous les responsables m'ont dit. Et ils ont entendu le discours du président Idrissa Ils savent que c'est un discours véridique et que si lui, tient les promesses, il ira euh, jusqu'au bout de ses promesses. Et dans le programme de Seck, aucune euh, frange justement de ses préoccupations n'est délaissé. Donc je peux vous assurer que nous avons eu un nouvel engagement de toutes ces euh, populations et de tous ces responsables qui nous ont promis d'unifier toutes les forces et évidemment d'aller vers ces élections qu'ils vont gagner. Ils préparent d'ailleurs pour le mois de décembre une grande activité de mobilisation qui va démontrer à la face du monde que Martin, plus que jamais, est debout n'est-ce pas, avec le président Idriss pour renverser ce régime qui n'a absolument rien fait. C'est un régime de dormeur, un lien qui dort. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes éveillées qui se préoccupent justement des, populations, qui prennent en charge leurs préoccupations, qui prennent en charge leur doléances. Et ça, je pense que qu'Idriss est l'homme de la situation. Ils, ils ont fait un nouvel engagement avec nous pour y au sujet du parrainage, euh, ils sont en train de faire un travail énorme qui a été déjà amorcé, n'est-ce pas Il y a quand même des difficultés parce que tout le monde sait que c'est une région énorme. Rien que le département de Matam fait pratiquement deux fois presque la, région de Thiès. Je pense que de ce point de vue, trois fois. Donc de ce point de vue-là, ils ont des difficultés. Ils nous ont parlé de leurs difficultés, notamment en ce qui concerne la logistique. Et Inch'Allah, je vous ferai leur avocat au niveau des instances du parti pour faire le plaidoyer pour qu'il y ait au moins, n'est-ce pas, un pick-up qui, leur, permettra, au moins de faire ce travail-là. Mais en tout cas, euh, les populations sont enthousiastes et je pense que de ce point de vue-là, nous pensons que le travail va se poursuivre. Le parrainage, en tout cas, ils ont déjà le quota, ils vont continuer, n'est-ce pas, à remplir ce quota-là, mais ils auront même au-delà. C'est ce que je pourrais, dire au niveau justement du Parlement. Le président Idriss comme vous le savez, pendant euh, ces trois derniers mois, euh, était dans ce que les Wolofs appellent le c'est-à-dire qu'il était en conclave pour, n'est-ce pas, parachever, pour finir justement les derniers de son programme. Maintenant, ça c'est derrière nous. Et tout le monde le sait, il a commencé sa tournée de pré-campagne par Prohan et je ne doute pas une seule seconde qu'il viendra ici, chez ses confrères, chez ses frères demandants, justement pour partager avec eux les espoirs et ses ambitions présidentielles, mais aussi partager avec eux euh, la place qu'ils ont dans son programme. Moi, je pense qu'en tout cas, les moyens logistiques actuellement sont les moyens les plus réclamés. Et comme je l'ai dit tantôt, je ferai le prédoyer et je suis sûr que le parti fera quelque chose pour la région de Mato. Maintenant, je ne peux pas être affirmatif à 100%, mais je suis sûr qu'en toute logique, le parti fera un geste, en tout cas à l'endroit de ses populations de Matam, et surtout à l'endroit de ses responsables qui doivent faire de la mobilisation, qui doivent faire des tournées. Je pense que ce point de vue-là, on fera ce qu'on pourra, c'est-à-dire le prévoir. Donc, je vais vous dire comme nous l'avons dit. Voilà. Moi, nous avons dans région de Matam depuis 48 heures. Nous avons tous les sommes venus parti, nous sommes le au tour secrétariat national, nous moo yore lépp lu jëm ci wàllu élection te nga xam ne As Babacar Gueye moo ko jiite As Babacar nag ku ne xam ne jamono ñu toll ma nga ca xeex ba nga xam ne mën nañ def fële ca Dakar jëm ci euh, ñu tegaat processus électoral bi ci yoon xeex ci fichier bi ñu jot ko te bu ne xam ne fichier bi bien que am ne benn fichier bu ñu mettre en ligne mais que fichier bi mettre ko ñu à disposition de l' opposition te ñoom ñu ngi xeex pour ñu jox leen ko bu ko defee kon ci xarit nekk moo tax waroon naa ñëw moom ak Mbacke Seck mais finalement. am ay gàllankoor man nag ñëw naa ànd ak Mamadou Mbodj ak Dakar yëpp responsable ñu ñëw fii n'est-ce fekk fi yenn responsable yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi notamment Alassane Sy bi nga xam ni mooy seen superviseur régional waaye tamit seen coordinateur départemental bi nekk sama càmmoñ bi soxna ko ko xeetali ndax kii nga xam ne toog na fi juróom-ñaar def fi benn liggéey loo fu gis rek daanaka sax ci régime bu mujjee bi la la ñëwee kon kooku bu ñëwee tey jël suñu alal di ko caaxaane jël suñu pétrole di ko caaxaane suñu mine de fer yeeg suñu mine oore yëpp mu jaay ko tay la ko tubaab yi tay la ko euh, ñi nga xam ne ay doxandéem lañu kooku war ñoo def moom ci boppam ñuy lem ko ba mu jekk ñu génne ko dëkk bi génne ko réew mi jël ñeneen ñu mën a liggéey ñu liggéey kon ci tànk yooyu lañ doon ñëw ñu ngi kontaan ci waa Matam biñ fi ñëw daal suñu xel am na mu leen jeexi jaafa waaye ñëw bi ñu fi ñëw tey danaa leen wax ne suñu xel dal na ci Matam te li dina ko yegg ci Idrissa Seck fekk nañ fi nak ay jafé jafé yu nga xamni région bi dafa yaatu te fi ko amul auto mënuñ fa dem kon bëgg nañu ñom nee nañ ñu ngi ñaan dal soxla yu leer na leen indi o lu mu tuti tuti ben auto bo xamni fi ñu mëna dem ñëpp ñi soxla Idrissa dafa bari te fokk ñu fekké leen te loolu fo ñu auto bu leen koy defal inshallah dañ ci wax fañ ko wara a dañ ko laat fi ko wara laaje yalla yal nañu yàlla ba loolu mën a am. wasalaam merci docteur.